ca Jalankin nekk ca Nord Sindian ñu ngi gis ni ñu bëri ci askan wi nga xamante ni dawoon nañu làkku ji ndax conflit bi ca casamons ñu ngi ñibbisi si seen dëkk bile. ñooñu ñëpp ñi nga gis ni tey euh, ñu bëri ah ñi nga xam ne seen seen seen seen tey seen population bi dañu ñu ngi Gàmbi. ñun yëpp Gàmbi la ñu su fekkente ne tek tekkaaral bu ñu dund at yi ñu jënn mu ngi rassuré. waye insécurité bi mom, mu ngi wéy di am biir zone bi ndax présence bu minia. état mu pour ñu dindi population ñu a jamma. si ñu mëna a En di l'accident de mine bu metti lool ndaw gis bëss bobé juroom ñent ci ay xaritam ñepp daal di ñàkk seen bakkan ci benn waxtu y ci

nekk ab signe bu am solo lool bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Lamine Bossé Badji di animateur ci projet Alwidi bu CRS. donc tey jii aussi bu ko célébrer day woon ni que jàmm dikk na jàmm ñëw na tey ci seen ci seen naam askan wi jël nañu seen responsabilité ñibbi ci seen dëkk ya ginnaaw bu ñu toogee ay at yu bari ci réewum Gambie waaye lu ñu gis mooy. ñom askan wi li dañ leen beddi. hôpitaux. bu yoon yeen yoon bi ngeen def ba yoon dafa école école yi nekk commune école yi ñun ci suñu responsabilité ngir magal bëss bi muy bëssu qui ci une manière ci zone bi nga ab zone de prédilection buy MFDC te bokk ci commandement bu Salif Sadio lini NAC, mel nak askan wi diko def ngir ni même su kentene djafe Djafe-Djafe-Yangifi, yaangi fi waye ca Nord Sindian Amna-Ainit, ay nit yu À Djalankin, dans le nord Xinjiang, l'on assiste à un retour progressif des personnes déplacées à cause du conflit armé en Casamance. Oui, oui, oui. effectivement, c'est les populations qui se sont déplacées. Le retour de ces populations-là, parce qu'ils vont retourner donc, euh, raison pour laquelle aujourd'hui ils sont là pour parler, pour montrer à ce que le désir du retour est là. Il y a des villages qui sont en construction. Même si ces longues années d'accalmie rassurent, mais l'insécurité demeure encore dans la zone du fait de la présence de mines. Certaines terres restent jusqu'ici inexploitables, nous dit-on. Si en tout cas l'État peut intervenir en tout cas pour le déminage des zones, et sécuriser les zones pour le retour de la population. Ansoumana Sané, un rescapé d'un grave accident de mine, a vu neuf de ses amis périr à la même heure et au même endroit. Un véritable choc pour ce jeune. parce que trois personnes Tout ce qu'Ansoumana veut aujourd'hui, c'est une aide de l'État du Sénégal. président hmm. Ce 21 septembre, à l'image de la communauté internationale, le Nord Xinjiang a célébré pour la première fois de son histoire la paix. Un très bon signe, selon Lamine Bossebadi, animateur au projet Aliwili du CRS. C'est juste pour montrer que la paix est là. C'est pour montrer que les populations et le mouvement du MFDC donc vivent en parfaite euh, cohésion. Malgré cette volonté des populations de rentrer au Berkay après des années passées en Gambie, elles sont laissées à elles-mêmes. Aucun accompagnement des pouvoirs publics. Et il suffit d'un petit tour dans le Nord Singan pour comprendre qu'ici, tout est urgence. Vous avez vu comment sont les routes. Les routes sont laborieuses. On a des problèmes de, de santé. L'éducation. L'éducation, les écoles qui sont dans la zone, c'est des écoles construites par l'effort de la population eux-mêmes. La population en Voici les raisons qui ont poussé les populations à célébrer à leur manière la paix dans cette zone de prédilection des hommes de Salif Sadio. Il s'agit pour ces populations de montrer à la face du monde que malgré tout, il y a vie dans le Nord Sindian.